le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est exactement 18 heures passées de 15 minutes dans le studio Kalangou de la Fondation Hirondelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Vous avez au micro pour la présentation de ce soir Michel Deji. Je rappelle que les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et en FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arleta, Filengue, Benengaure, Chirozerine, Magaria, Mainosowa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï et depuis le 1er août, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux auditeurs de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Doganduki, de Wallam et de Kouagtagui dans la commune 2 de la capitale. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Fidèles auditeurs, nous aborderons dans notre forum de ce soir une thématique purement culturelle, c'est l'abandon de certains festivals culturels au Niger en effet des événements <coughs> culturels très distractifs et instructifs connus des Nigériens ont aujourd'hui disparu. L'exemple le plus illustratif est le Festival de la jeunesse qui était rotatif dans les sept anciennes capitales départementales devenues aujourd'hui des capitales régionales au nombre de huit. Les festivals culturels nouveaux comme anciens ont en effet toujours été des rencontres culturelles et artistiques comprenant des chants, des danses, des théâtres qui font penser aux temps immémoriaux de la culture nigérienne. Et comme on le sait, la culture détermine l'identité d'un peuple autant qu'elle revêt une importance capitale dans le développement d'une nation d'où l'utilité du présent forum sur le studio Kalangu. Il sera donc question avec nos invités de vite rappeler ces différents festivals et le rôle social qu'ils ont eu à jouer dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle, de la révalorisation et de l'affirmation de l'identité nationale, mais aussi de la consolidation de l'unité nationale ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat culturel. Comment ces festivals ont-ils contribué à la construction nationale Qui en étaient les grands acteurs Quelle est la situation actuelle de ces festivals sont-ils réellement en voie de disparition ou en train d'être remplacés par d'autres plus importants et plus rénovés Que faire pour une meilleure sauvegarde des richesses culturelles nigériennes Autant de questions et bien d'autres auxquelles nous allons nous intéresser tout au long de ce forum de 45 minutes. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous trois acteurs du domaine il s'agit d'abord de celui qui a été surnommé l'homme du festival. Il est enseignant, il a marqué le festival de la jeunesse et a occupé plusieurs fonctions ministérielles dans le portefeuille de la culture, mais aussi de la communication. Il s'agit d'Umaru Hadari. Un autre monument de la culture nigérienne que nous avons invité pour vous, c'est le célèbre comédien nigérien Yazidogo qui fait rire les Nigériens depuis quatre décennies maintenant et qui continue malgré le poids de l'âge à diriger une troupe culturelle qui tient régulièrement ses activités au CCOG de Niamey. Il est également enseignant de formation. Et enfin, nous avons sur ce plateau le directeur de l'enseignement artistique et de la formation au métier de la culture au ministère de la Renaissance culturelle. Bonsoir. Chers invités, merci d'avoir répondu présent à cette euh, invitation. Nous allons commencer par euh, écouter les œuvres de Omar Hadari. Il faut dire que vous êtes euh, auteur de l'hymne de la jeunesse. Vous êtes auteur également de plusieurs œuvres qui ont été présentées au niveau des différents festivals, notamment le festival de la jeunesse. Nous allons suivre ce test-trait. C'est une prestation faite par des scolaires de Maradi. C'était au niveau du

Oui, Monsieur Omoradari, pouvez-vous nous dire euh, dans quelles circonstances euh, vous avez eu à concevoir euh, ce chant, puisque c'est vous qui êtes l'auteur, c'est vous qui avez donné l'idée et c'est vos paroles qui sont chantées ici. C'était au festival qui a eu lieu à Difa, c'était en 1981. Merci, Monsieur Michel. Nous sommes heureux de cette invitation et le festival de Difa en 1981. J'étais directeur du CGE de Maradi. Et Maman Oumarou, l'ancien Premier ministre, était maire de Maradi. Donc, euh, pour DIFA, il m'a fait venir à son bureau de maire pour me dire donc euh, il faudrait absolument que le festival de DIFA puisse être euh, représenté au niveau de Maradi ou une, pièce théâtrale ou un ensemble instrumental hum. ou alors une chanson. J'ai dit, bon, comme je suis avec des, élèves, je préfère donc préparer un chant pour DIFA. Elle dit OK. Pour cela, Mamanou Mourou venait même au CG pour voir les répétitions d'une jeune fille. Il a vraiment beaucoup fait pour, pour la culture. Monsieur le ministre, avant même euh, ce chant, vous êtes également l'auteur, il faut le rappeler, de l'hymne de la jeunesse euh, nigérienne. Euh, vous l'avez composé, c'était au niveau du premier festival qui a eu lieu en 1976. Quel, quel, est le message que vous avez toujours voulu transmettre à travers vos œuvres Bon, par rapport à la Samarie de Amata, c'est en fait la même chose. J'étais directeur du CIG de Keita. Mhm. Et il restait à peine euh, deux semaines pour le, premier festival en 76 à Zender. quand le sous-préfet m'a appelé pour me dire, bon, il faut que Keita soit représenté. En théâtre ou en ballet, j'ai dit, ah, ça prend beaucoup de temps. Il ne, reste pas plus de, deux semaines pour Zender. Donc, je préfère préparer un chant. Donc, j'ai préparé le chant, Samari de Mata, matin. Donc, il, a donné vraiment les moyens. J'ai pris euh, ma, euh, une Land Rover pour aller un peu dans dans le département, on m'a indiqué qu'il y avait des filles qui avaient de très belles voix. Et puis, je les ai un peu recensées et on est venu préparer ce chant à, à Keta. Il y a eu les éliminatoires à, Tawa et donc le chant a été sélectionné pour représenter tous les départements de, de Tawa à l'époque. Et ça a été primé d'ailleurs Oui, le chant a été primé. D'ailleurs, c'était Garba Mm-hmm. qui était ministre, euh, secrétaire d'État à la culture. Amirou Sudikou, qui était euh, après euh, ministre, etc., et puis chef de canton de Kouré, qui est décédé il y a trois ou quatre ans. Vous avez remporté plusieurs prix par rapport à ces différents festivals euh, qui ont été organisés. Il faut rappeler que vous êtes également l'auteur de l'hymne du parti MNSD Nassara, le parti qui a conduit Tanja Mamadou à la tête de la magistrature suprême. Euh, s'il faut faire une genèse de ces festivals, qu'allez-vous dire par rapport à ces différents festivals auxquels vous avez activement participé Non, vous savez, euh, depuis l'avènement du CMS, le mhm. pouvoir. donc les militaires. Le régime de Sine Le régime de Kunche. Mhm. Il a pris le pouvoir en 1974. Et la jeunesse à l'époque était pratiquement embrigadée. Mais avec l'avènement du CMS, donc euh, la jeunesse s'est sentie libérée. Mhm. Et puis, pour canaliser cette, euh, cette, cette, jeunesse-là pleine de fougue, ils ont, euh, donc le CMS a pensé à une structure ancienne, c'est-à-dire la Samaria. Oui donc à partir de là, euh, ils ont imaginé donc euh, pour canaliser cette jeunesse-là, donc d'organiser des festivals, des festivals nationaux de, la jeunesse. Mm-hmm. Donc c'est ainsi que le premier festival donc, a été organisé à Zander. Et, en, 1976. Mhm. Monsieur Yazidogo, vous êtes euh, pratiquement de la même euh, génération que Oumar Hadri. Quels sont les festivals que vous, vous avez trouvés depuis euh, l'indépendance du pays Bon, en gros, moi, je peux dire que j'ai assisté à tous les festivals, sauf deux. Mhm. celui de parce qu'en mhm. ce temps j'étais aux études, et puis celui de Dosso. Qui ont eu lieu en quelle année À je ne me rappelle plus de la date. c'est en 82. 82, oui. Mhm. Et Dosso, c'est en 79. 79. C'est les deux seulement que j'ai raté. Enfin, j'ai raté, c'est indépendant de ma volonté. Parce que à ce temps j'étais étudiant, je ne pouvais pas laisser les cours et aller perdre deux ou trois semaines là-bas. cest à dire qu'avant 1976, il n'y a jamais eu de festival culturel. Mais si, le premier festival de Zender, mhm. en 76, il n'a pas fait beaucoup de bruit, mais je ne vais pas peut-être euh, rappeler. C'est encore euh, à cette occasion que nous avons présenté ce que vous voyez souvent passer, ce que mhm. Bakab a tenu euh, sous, forme de film là, mhm. Si les cavaliers. Nous avons interprété cette pièce d'André Salifou. Et on a pris le premier prix, mais avec les arrangements, on a dit non, il ne faut pas leur donner le premier prix, il vaut mieux donner le premier prix à Agadez. Je me rappelle bien de cette pièce d'Agadez. Nabatiri. C'est une pièce qu'ils ont montée sur l'épisode, euh, euh, leurs leur, jeunes qui allait au, euh, en Libye, mhm. et qui, qui, envoient de l'argent à leurs parents, de l'argent qu'on détourne, des trucs c'était un truc comme ça qu'ils ont présenté leur pièce. Outre euh, le festival de la jeunesse, est-ce qu'il y avait d'autres festivals Bon, nous, en ce temps, on était très, très impliqués dans l'affaire de la Samaria. Mm. C'était comme l'a dit le ministre avec Garba Sedikou. Mm. Parce que Garba Sedikou, il avait tout un répertoire de gens qui aimait la culture. Oui. C'est lui-même qui désignait aller chercher un autre, aller trouver un autre. Il faut me les rassembler. On va relancer, on va faire la Samaria. Mmh. Et c'était formidable. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué de tous ces événements culturels bon, euh, Pour moi, hein, ce rassemblement-là, c'est vraiment l'idéal. C'était c'était un rassemblement où nous, on trouvait notre compte. Mmh. Parce qu'on rencontre des gens, souvent d'abord qu'on ne connaît pas on se connaît seulement au niveau de, la région. Mais quand vous venez à Niamey, en ce temps, ça se passait régulièrement à Niamey. Pendant une ou deux semaines, vous vous croisez avec les gens de Tawa, de Maradi, de Difa, des échanges sur place ici à Niamey même. Eh bien, c'était formidable. Mhm. Et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis retrouvé un jour à Gaïa. J'ai trouvé une fille, je suis parti pour le festival de Tumba le matin de bonne heure, on m'amène un plat pour le petit déjeuner. J'ai dit, mais je connais personne à Gaïa. Mhm. J'ai demandé, on dit, non, une femme là, c'est elle qui a dit d'envoyer ce plat-là. J'ai dit, mais, je ne la connais pas. Donc, quand elle est venue récupérer son plat, c'est à ce moment que je l'ai vue. J'ai dit, Kay, d'où viens-tu C'est une fille de Tawa. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ici à Gaïa mhm. Elle dit, non, moi, euh, j'ai trouvé un mari, un ressortissant de Gaïa. Mhm. Donc, vous voyez ce que ça fait, ces échanges-là. Mm. Hein, euh, euh, un jeune homme de Gaïa qui trouve une femme euh, à Tawa. Mm. Et comme par bonheur encore, j'ai trouvé la même situation à Telaberi, J'ai trouvé encore une autre fille de Telaberi et une fille encore de Gaïa qui elle aussi a trouvé un mari parmi les danseurs de, de, mm-hmm. Donc vous voyez ces échanges, ces rencontres-là. C'était très fructueux. Mm-hmm. C'était très fructueux et puis c'était très bien. Parce qu'il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait rien, on s'entendait. Et chaque matin, il y a des organisations. Par exemple, on dit demain, euh, le groupe de Zender, vous allez passer la journée dans le groupe de Tawa. pendant ce temps, Tawa va passer la journée dans le groupe de Et ainsi de suite, on, on échangeait. C'était très, très, très bien organisé. En clair, euh, nous voyons que ces différents festivals ont permis de montrer à la face du monde euh, les potentialités culturelles de notre pays. Monsieur le directeur de l'enseignement artistique et de la formation au métier de la culture, quelle est la situation actuelle euh, de ces festivals Quels sont ceux qui existent et ceux qui sont enterrés, on peut dire Merci. Mhm. Je voudrais d'abord relever, en tout cas vous remercier pour l'honneur que mhm. vous nous avez fait Merci. Euh, c'est d'abord euh, l'honneur, c'est d'abord que nous soyons invités. Mhm. Il y a 17 millions au moins de Nigériens. Le deuxième honneur pour moi, c'est que vous m'invitez en même temps que euh, mes anciens. Je dirais en même temps que celui qui m'a nommé directeur des arts en 2009 Monsieur Hadari, mhm. euh, avec euh, en tout cas toute ma reconnaissance. Et puis euh, il y a que j'ai toujours connu, qui m'a toujours encadré aussi, qui m'a toujours prodigué des très bons conseils. Donc c'est vraiment un double honneur. Mhm. Maintenant, c'est devant témoin que je parle parce que les activités thématiques décentralisées qui, sont comme des activités qui remplacent les festivals, mhm. c'est avec lui encore le ministre Hadari, n'est-ce pas Pour dire qu'en vérité, les festivals, je ne pense pas qu'ils soient enterrés, mais c'est une dynamique qui est là. cest mhm. pas à la faveur de la décentralisation, au niveau du ministère, nous avons pensé qu'il fallait un peu décongestionner mhm. Niamey, qui habitait pratiquement tous les grands festivals, mhm. et en même temps essayer de spécialiser les régions dans la dynamique de la décentralisation. Et cela a amené le ministère, sous euh, la direction de M. Hadri justement, à essayer de voir comment faire ce transfert d'activités, comment spécialiser ces régions mm. dans des activités phares. Et je crois, parce qu'à ce moment, moi, je suis encore très petit, je crois qu'ils sont partis avec la logique qu'il faut d'abord voir les festivals, en quoi telle ou telle région a brillé. Mm-hmm. Et c'est ça qui a donné lieu au transfert. Donc, euh, on a vu que quand on prend par exemple la région de Clabéry, on sait que Clabéry a toujours excellé en matière de chansons féminines. Donc on a dit il faut donner à Tladri l'activité thématique chanson féminine d'Aloïse. Mm-hmm. Mm-hmm. Tawa, d'Angoum et de mm. Tawa, je mm. crois que le transfert a eu lieu dans ce sens-là, qu'il faut essayer d'honorer Dangourmou en transférant le concours euh, de musique. Mm-hmm. Et euh, Zender étant la région phare amateur de théâtre, je crois que Karad Kiyashi est implanté là-bas. Donc pour dire que ce n'est pas qu'on a enterré, parce qu'enterrer, c'est avec regret. Nous, nous pensons nous inscrire dans une dynamique. Mhm. Cette dynamique qui consiste non seulement à doter les autres régions d'activités thématiques, nous disons bien thématiques, mhm. phares, mais également de les spécialiser, faire en sorte que chaque région bouge à sa façon, selon qu'elle peut, euh, euh, n'est-ce pas, euh, en donnant une certaine orientation à l'activité qu'on lui donne. Mhm. Voilà, je vais m'arrêter ici en attendant. Est-ce qu'il n'y avait pas nécessité de conserver quand même, quand bien même, le festival national de la jeunesse qui était organisé pour que ça soit au moins un rendez-vous national, comme ça a été le cas depuis 1976 Pourquoi pas Vous savez, parce qu'on a vu que depuis 2003, le festival là n'est plus organisé. Voilà. Donc c'est pour dire que euh, la configuration aujourd'hui. Hein? Depuis 2004, euh, le ministre dit. C'est à partir de 2004, voilà. Très voilà, bien. Pour dire que, pour la Pour dire que jusqu'au moment où on organisait le festival de la jeunesse, je crois que c'était un seul ministère, le ministère de la jeunesse, des sports et de la culture. Mhm. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la jeunesse et des sports à part, mhm. le ministère de la renaissance culturelle à part. Pour dire que euh, chaque ministère a sa politique. Je crois que le ministère de la Jeunesse peut ramener le Festival de la Jeunesse à sa façon. Parce qu'on l'appelle bien Festival de la Jeunesse. Mais nous, au niveau de la Renaissance culturelle, nous avons opté pour euh, cette nouvelle formule qui consiste à transférer, avec le mot qu'on veut, hein, les activités thématiques phares et spécialisées par là même les régions. Monsieur Mogadori, est-ce qu'il faut regretter le fait que ce festival n'est plus euh, organisé hein? Depuis 2004, vous venez de le préciser. Non, vous savez, euh, le dernier festival, effectivement, c'était en 2004 à Maradi. Mhm. Mais c'est-à-dire que le festival en tant que tel, bon, euh, quand à l'avènement de Tanja Amadou, mhm. donc 2004 c'était Maradi, et 2005 c'était une année de réflexion, et en 2006, mhm. en 2006 on a dit, ah, il faut peut-être euh, dans un premier temps mettre en veilleuse le, festival de la jeunesse et au, niveau donc de, de, chaque région, de chaque région mhm. au niveau de chaque région, organiser, mhm. organiser la fête de la République. Mhm. C'est pourquoi la fête tournante, de la République. Oui, oui, et donc à, la, fête tournante de la République, donc il y a toutes les, euh, les disciplines, toutes les disciplines qui sont qu'on a vu euh, évoluer euh, au niveau du, festival oh, national. Mm-hmm, mm-hmm. Donc 2006, euh, c'était à Zander, 2007 à Tawa, 2008 mm-hmm. à Tilaveri, 2009 à Difa. C'est ça. Donc, disons, on peut un peu regretter parce que, comme Yaj l'a dit, c'était vraiment un moment de brassage. Donc euh, le festival est en tournant, donc les, jeunes découvrent certaines régions mhm. euh, du pays. Et comme il l'a dit, c'est des brassages entre les jeunes, ça renforce l'unité nationale. Euh, mais en même temps, les, fêtes de la République, ça, rassemble beaucoup plus de, jeunes en réalité qu'au niveau du mhm. festival. Mhm. Parce qu'au niveau des fêtes de la République, il y a au moins 5000 jeunes 5 000 jeunes. Mhm. Or, euh, pour les festivals, bon, il faut compter peut-être 2 000, 3 000 personnes. Mhm. Il faut au passage rappeler que nous avons toujours des festivals qui sont en train d'être euh, organisés et qui continuent d'être d'un grand intérêt pour la population nigérienne. Nous avons par exemple euh, le cas du festival de l'Aïr dans la ville d'Iféouane, région d'Agadez, qui était à sa douzième édition en mars dernier sous le thème Le tourisme vecteur de paix, de croissance et de rapprochement entre les peuples avec la participation d'autres pays voisins, notamment l'Algérie. Nous avons aussi des rencontres culturelles et artistiques euh, comme euh, le festival de la musique sacrée de la région du Dosso, le festival Gargagia à nous avons le Gatan nous avons la Cure Salée, nous avons le Bianou, nous avons le Festival international du conte et des arts, de l'oralité, ou encore le FIMA avec Alfadi, le Festival international de la mode africaine, qui, on le sait, a une autre connotation. Quelle analyse faites-vous, Monsieur Oumoradari, en tant qu'homme de culture, de toutes ces rencontres culturelles organisées ça et là à travers euh, le pays Vous savez, euh, il faut euh, reconnaître qu'il y, a eu ou qu'il y a un foisonnement mhm. donc des, différents festivals. Et ça, le directeur est témoin. À un certain moment, on a dit qu'il faut faire faire. Mhm. Il faut faire faire. Donc c'est pourquoi à l'époque, on a encouragé euh, certains à, donc organiser leur propre festival, Au, lieu que le, ministère concentre tout et puis euh, euh, organise lui-même euh, euh, ces, activités-là, on a encouragé cela. Donc, par exemple, comme vous l'avez dit, il y a aussi, vous avez peut-être les prix Palo, la voix de la femme, la, semaine du, rire, mm-hmm. du rire que Yaz Logo anime. Tout cela, donc, on peut peut-être euh, un peu euh, euh, regretter le fait qu'il y a une certaine baisse et puis certains même ont abandonné. Et cela, le directeur était... Bon, le ministère, le ministère n'a pas les moyens hein, de sa politique. Parce que les, on néglige beaucoup le secteur culturel. Or, c'est un, un, secteur mm-hmm. où, elle, qui, disons, un secteur qui est le levier principal mhm. du, développement, du, développement, économique du pays. Mhm. C'est ça. Donc, euh, on, les, budgets de, la culture mhm. ne sont pas ce qu'on attend vraiment. mais s'il y avait des, euh, budgets, euh, comment dirais-je, importants mis à la disposition du ministère de la Culture, ça allait, le foisonnement peut continuer. Eh, mais la renaissance culturelle, eh, C'est pourquoi, une fois, donc, j'ai. Eh, je ne sais pas où est-ce qu'on m'a posé la question, j'ai dit il faudrait qu'on donne suffisamment de moyens mm-hmm. à ce ministère-là pour pouvoir. Parce qu'on dit que ah, c'est encore c'est la léthargie. Non, mm. vous avez des idées si vous n'avez pas de, de, l'argent hein, pour pouvoir euh, faire, faire, euh, mettre en œuvre ce que vous. Ça ne peut pas très bien aller. Mhm. Oui, oui. Donc, voilà. Monsieur le directeur de l'enseignement artistique, euh, peut-on ou doit-on espérer alors un retour des anciens festivals qui ne sont plus organisés ou notamment on peut dire celui qui est dédié à la jeunesse qui est organisé depuis 1976 En tout cas, au niveau du ministère de la, Recherche, que le directeur des arts le ferait bien, euh, moi, je parle juste en tant qu'acteur et mm-hmm. témoin mm-hmm. actuel euh, de la situation. Mm-hmm. C'est que, euh, comme il l'a dit, monsieur le ministre, la dynamique, c'est cela. C'est-à-dire, ce n'est plus faire revenir ou, faire disparaître. Non, c'est comment faire nous aussi pour nous inscrire dans la marche du monde. tout à fait. N'est-ce pas Il est clair que quand on va dans des pays comme la France ou dans des pays comme au Sénégal, comme au Cameroun, c'est sûr qu'ils ont des activités principales détenues par l'État. Mhm. mais ce qui est encouragé, c'est beaucoup plus, comme il l'a dit, le faire faire. Mhm. C'est-à-dire ce n'est plus le ministère qui va venir organiser à chaque fois. Il faut permettre aux initiatives privées de mhm. devenir. C'est pourquoi nous avons créé l'agence de promotion des entreprises industries culturelle. Nous avons le CCOG, nous avons le Palais Tout ça, là, c'est pour permettre aux initiatives privées, euh, n'est-ce pas, de, s'éclore et de grandir. Et je crois que le principal travail de l'État, c'est même ça n'est mhm. pas de s'accaparer. Mhm. Non, c'est plutôt d'aider les Nigériens à devenir. Et c'est dans cette logique que nous sommes inscrits. Monsieur Azidogo, dans cette euh, optique, euh, que faut-il faire alors pour une bonne euh, émergence de la culture nigérienne à travers ces différents festivals, mais aussi à travers d'autres initiatives je crois que c'est tout simple. Ils l'ont dit. Tous ces gens-là qui se consacrent à la culture, soit dans le domaine théâtral, dans les chansons, dans les ballets, c'est-à-dire ils se sentent un peu délaissés. Mhm. Ils ont bien la volonté de faire, mais ils ne se sentent pas épaulés. Mhm. Épaulés, là, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours trouver de l'argent. Le ministre Hader, il a dit. Il l'a dit, il faut au moins que les gens se mettent au travail, faire. Il ne faut pas dire, on va aller au ministère, ils vont nous donner de quoi faire. Ce n'est plus ça maintenant. Mhm. Il faut faire. C'est comme si tu veux vendre un boubou, tu lui fais une très belle brodure et tu le vends. Mais tu, ne dis pas, je, vais vendre mon boubou, je, je n'ai même pas fait la broderie. Donc c'est à toi de voir mon boubou là que je vais faire, quelle façon de broderie je vais faire pour qu'on l'achète. Donc il faut préparer des choses de qualité. Vous êtes un grand oh. acteur du domaine. Euh, actuellement, euh, bien que vous êtes euh, avancé en âge, vous continuez à diriger une troupe culturelle, on l'a dit. Quelles sont les difficultés, vous, en tant qu'acteur, auxquelles vous êtes confronté Bon, les difficultés maintenant, c'est. On nous parle souvent de penser à la relève, penser à la relève. Mhm. On pense à la relève. Mhm. Mais la relève, là, elle a, une autre vision de ce que nous, ne voyons pas. Pour eux, il faut venir au théâtre parce que ça rapporte de l'argent. Mm-hmm. Or, il n'y a pas d'argent dans le théâtre. Mm-hmm. Parce que si je vous dis maintenant, quand nous préparons une pièce, c'est à nous de trouver nos accoutrements, tous les accessoires. Or, les jeunes, quand ils viennent, ils viennent vraiment poliment. Ah, monsieur, je veux faire partie de votre troupe de théâtre. Mm-hmm. Il n'y a aucune demande à faire. Tu t'es engagé. Tu veux faire Oui, je veux faire. Bon, viens voir si tu peux vivre avec nous. Tu assistes à nos répétitions et maintenant, après, tu vas t'engager. Dès qu'ils viennent une fois, deux fois, trois fois, on finit les répétitions, on s'en va. Même pas les frais de taxi, là. Il dit, Kai, là, tu Wahala, tu <laughs> Donc, il n'y a pas d'argent. Or, nous, là où nous sommes, demain, demain, demain, là, on va se retrouver. Pour le moment, nous sommes 15. 15 de la troupe. Et nous sommes réguliers qu'il y ait quelque chose qui n'est pas quelque chose. Il faut qu'on se retrouve, discuter sur des thèmes et on met de côté. Mhm. Dans le cas aussi, la télévision en a besoin, et nous réclame monter une pièce, on va filmer. C'est tout. Mais il n'y a, pas, a pas de quelque chose à droite, à gauche. Monsieur le ministre, euh, euh, à côté de tout ce que nous avons comme tradition, il y a aussi le modernisme. Euh, les artistes, euh, jeunes artistes nigériens vont un peu vers euh, la modernité. Pouvez-vous nous dire si vous pensez que la jeunesse nigérienne est aussi talentueuse pour exprimer son propre talent et à partir sans faire retour au passé moi je pense que réellement, nos jeunes ont beaucoup de talent. Mm et ils se défendent très bien au niveau donc euh, euh, comment dirais-je du modernisme hein. et, de la tradition. Nous, ce que nous souhaitons, mm-hmm. vraiment, c'est euh, comment dirais-je faire une espèce de ne pas oublier, ne pas oublier notre propre culture, mm-hmm. mais aussi rester ouvert. Mm-hmm l'ouverture. Euh, on n'est pas, euh, disons, euh, il faut s'ouvrir au, monde. Mais seulement, il ne faut pas aveuglément imiter ce qui est, ce, qui est ailleurs. Nous avons notre patrimoine. Je m'excuse de couper de ministre ce qu'il est en train de raconter. C'est une vérité. Parce que on dit nous, on a plusieurs fois été critiqués. Vous, vous faites toujours le théâtre en Hausa ou bien en comme euh, ça, c'est pas bon, ça, ne peut pas sortir. Moi, je suis contre ça. Si je vous dis aujourd'hui, nous, nous avons continué à faire notre théâtre dans la langue du pays, c'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas français. Mais c'est pour conserver quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mm-hmm. Parce que si on ne fait pas attention, un jour même notre langue là, ça va disparaître. Et c'est à travers le théâtre que nous, on conserve ce théâtre-là. Maintenant, vous ne pouvez pas monter une pièce, peut-être qui parle de la chefferie traditionnelle de Maradi ou de Tawa, euh, sans, parler du Hausa. Parce que toutes les expressions que vous allez utiliser, vous ne les avez pas en français. Mhm. Et maintenant, nos jeunes, maintenant, quand, tu vous rencontrez un jeune, la dernière fois, nous avons été avec un fonctionnaire ici de Niamey à la cour du sultan de Maradi. Mhm. Il est rentré parara parara avec ses chaussures. Mhm. Les notables ont sauté sur le Lui, ne connaît pas cette culture. Alors, ils l'ont pris, ils ont voulu même le tabasser. Lui, ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il dit, mais c'est pas comme ça. Mhm. Donc, tous ces machins qu'on connaissait essaie de rejeter là, parce que moi, j'appelle ça rejeter. On risque de tout perdre. Tout Moi, j'ai mes enfants, mes propres enfants. Quand il voit une pièce que nous avons montée, il me demande, mais papa, pourquoi le monsieur est habillé comme ça là-bas Pourquoi l'autre il est assis comme ça mhm. On leur montrait que, vous voyez, quand vous êtes devant un chef, votre façon de vous asseoir, c'est pas comme si vous êtes chez vous. Donc tout ça, c'est des, des, des, des, coutumes que nous sommes en train de laisser partir. Moi maintenant, mes enfants, quand vous allez chez moi, vous ne verrez jamais un enfant qui va vous tendre quelque chose avec la main gauche, mm-hmm. ou bien qui va prendre quelque chose avec vous avec la main gauche. Parce qu'on a montré dans, les, pièces de sensibilisation, on a montré que pour être poli, quand on te donne quelque chose, prends avec deux mains ou bien mm-hmm. prends avec la droite, etc., etc. Bon, tout ça, si on fait du théâtre, disons moderne maintenant, nous allons perdre toutes ces valeurs-là. Mm-hmm. Comment arriver à conserver tout cela Alors, est-ce qu'il faut passer, revenir à euh, un rétro-festival Moi, je pense. Revenir sur le les moi, je Pense. Moi, je pense. Je vous dis, on avait monté Gado Allah, une pièce là. Mhm. Et quand on l'a amené ici à Niamey, mhm. c'était juste l'année où Puntia a pris le pouvoir. Alors il dit de venir, oui, de venir jouer cette pièce-là à Niamey. Mhm. Nous sommes venus avec nos griots. Dedans, il y avait un passage où il fallait jouer Giwa Giwa Erda. Mhm. Alors quand nous sommes arrivés, les griots tout mouchés. le passage de Giwa Giwa Erda, comment on va faire J'ai dit, on va se débrouiller. Donc, et la nouvelle est partie chez Kunti. Mhm. On lui a dit, ah, il veut changer la chanson là. Il envoie quelqu'un, il dit, ne changez rien. Vous la présentez comme vous l'avez montée à Zelda. Mhm. Donc, on était là, la pièce, on, ça, ça passait, ça passait. On arrive au passage où maintenant c'est le, préfet qui arrive et les griots l'accueillent avec Giwa, Giwa, Erda. »« Kaka, mhm. Les gens ont couru, ils ont abandonné la maison Yarusekou. Ils se sont sauvés. Ils sont partis nous laisser sur scène. Et Kunti était là, il a suivi la pièce jusqu'au bout. Mm-hmm. Le lendemain matin, on envoie aller voir si les gens des Andes là, er Alors c'est après que Kunti a dit mais si vous, vous changez ça là, qu'est-ce que vous allez mettre à la place Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans votre Le jour où, par, exemple, vos enfants vont écouter euh, la musique, la Erda, ils vont vous demander où est mon mm-hmm. Ça vous permet de parler au moins du RDA, c'est normal. Il ne faut rien changer. Il ne faut rien changer. Acheter sous les grilles, ils ont pris leur. Euh, son ils ont changé déjà. <laughs> c'est pas possible. Mm. Monsieur Moradari, oui, euh, un mot par rapport à ça. Il pense qu'il faut revenir sur ces anciens festivals parce que nous sommes quand même dans un monde où la jeunesse a une vision qui va ailleurs, notamment avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, où les gens sont souvent plus connectés. Euh, euh, il, y a cette problématique-là, mhm. mais aussi, moi je pense que pour que mhm. les, œuvres vraiment puissent atteindre un certain niveau, pour que, euh, avoir euh, cette professionnalisation-là, mhm. il faut, bien sûr, il faut euh, se référer donc à la, au patrimoine national, mais il faut, il faut voir au niveau, au niveau du monde, de, la modernité. Il faut, mhm. il faut voir. Parce que maintenant, vous êtes obligé d'en tenir compte si vous voulez mm-hmm. euh, aller très loin. Mm-hmm. Vous êtes obligé de, Par exemple, euh, euh, il y a une danse, c'est des danse contemporaine mais nous ici on a dit il faut une danse de création et d'inspiration traditionnelle. Mm-hmm. Ce n'est pas la danse contemporaine. La danse contemporaine, ça, ça ne regarde pas chose. Mais on peut s'inspirer de la danse euh, contemporaine pour, euh, euh, mettre en place cette danse de création et d'inspiration traditionnelle. Mm. Donc il faut joindre, comment dirais-je, on a l'impression que c'est un appel, hein, monsieur le directeur de l'enseignement artistique, au niveau du ministère. Euh, est-ce qu'il y a des perspectives qui vont dans ce sens oui, merci. La philosophie euh, principale de la renaissance culturelle même, hein, mhm. c'est cela c'est comme l'a dit Léopold Sédar Senghor, c'est l'enracinement dans ses Mais valeurs. un acte euh, l'enracinement dans ses valeurs et l'ouverture aux apports fécondants de l'universel. Mhm. Donc c'est cela en acte euh, sur le terrain Est-ce qu'il y a des actions euh, Oui, maintenant nous, sommes, nous sommes à l'état de balbutiement, de mhm. la renaissance. Nous sommes en train de revoir, de faire des, des, rencontres avec tout le monde. Hein, la dernière fois, on avait rencontré les différents gouverneurs des régions par rapport aux activités thématiques des standardisés, leur Ils mm la mhm, mhm, philosophie de le cadre de la renaissance culturelle, justement, pour faire en sorte que désormais, on aille de l'avant avec le, monde moderne mais en n'oubliant pas nos racines. Parce qu'en oubliant nos racines, ou on risque mhm. tout simplement d'être dépendant Donc c'est pour dire qu'en vérité, ce que vous êtes entendu, c'est là la philosophie même de, la Renaissance culturelle. Nous, nous sommes euh, appuyés sur nos valeurs. Nous sommes vers la fin de cette euh, émission, de ce forum. Monsieur Azidogo, un mot pour terminer. Vous, je rappelle que vous, il y a Chebdaïna qui est universitaire, qui a écrit récemment un important ouvrage sur tout ce que vous faites. Il a écrit Azidogo mm-hmm. ou l'art euh, du théâtre populaire au Niger. Un mot, vous qui êtes toujours engagé dans le domaine, euh, ou un appel pour terminer à euh, l'endroit de nos auditeurs. Chaïb euh, Boudin a fait vraiment un, travail très très important avec Dominique Penel. C'est pour recenser toutes les pièces de théâtre que nous avons montées. Il les a toutes. Mhm. sur vidéo là. Mhm. Donc il les conserve. Maintenant, nous sommes en train de les transcrire, il mhm. de les transcrire. Et on écoute, on transcrit parce qu'il a l'intention de, de, faire peut-être des petits livrets. Mhm. Comme il a déjà fait un qui est sorti, là, il l'a transcrit. Un, très joli manuel là pour, les, mhm. pour les écoles. Mhm. Donc ça, c'est important, c'est très important. Et bon, je ne sais pas, n'est pas de la complicité, on dirait qu'on travaille dans le même sens. J'étais d'ailleurs hein, à la dédicace euh, de l'ouvrage. Il a lancé l'appel que l'ouvrage soit mis à la disposition des scolaires et que les élèves s'intéressent de plus en plus à ce que vous avez fait, des parties de, euh, de vos théâtres. C'est ça qui m'a fait penser à. Mm. Nous avons été à Boitier pour un festival francophone. Mm-hmm. Donc d'ici on dit ah il faut amener une pièce écrite en français. Donc mhm. nous nous avons pris garde Garifin Allah mhm. nous avons traduit en, en, français. Mhm. Ce n'est pas du bon français mais on comprend. Je vous dis, quand on est arrivé à Boaké, le premier jour la Côte d'Ivoire a présenté sa pièce, le deuxième jour la Guinée a présenté sa pièce et le troisième jour c'est le Niger qui a présenté la pièce. C'était une pièce moitié Hausa, moitié français, ainsi comme ça là. Parmi les membres du jury, il y avait un Camerounais. Il suivait la pièce. Moi, je le suivais. Mhm. Il n'a rien écrit sur son papier. Il n'a rien écrit, il suivait seulement. Mhm. Quand on a dit, voilà, on est arrivé à la fin de la pièce, il laisse son bic tomber sur la table. Voilà ce qu'on appelle théâtre. <laughs> un, mot, pour terminer, euh, Dogo, votre mot pour terminer, euh, parce que nous sommes au terme de cette émission. Oui, c'est-à-dire qu'il faut maintenant comme nous, on est là, on n'est que des porte-parole, mais vraiment, il faut revenir cette histoire des activités culturelles. Là. Mhm. Nos anciennes valeurs-là, il ne faut pas les perdre. Mhm. Il ne faut pas les perdre. il y en a qui pensent que, oui, terminé. Oui, vous voyez, bah, maintenant, c'est difficile, nos danses traditionnelles sont en train de disparaître. Mhm. Maintenant, si vous allez dans la région de Maradi, avec euh, le Takkela et autres, les jeunes maintenant ne savent plus comment danser le tel. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle par rapport à ça Comment relever euh, ou arriver à surmonter ces difficultés qu'on a Vous en avez rencontré, vous Moi, je, pense, que, euh, je pense que vraiment, euh, c'est que le dernier mot, mhm. c'est demander donc aux, mécènes, aux mhm. demander aux opérateurs de téléphonie mobile, par mhm. exemple à tous les, les, opérateurs économiques de soutenir la culture. Parce que beaucoup ne, ne savent pas que c'est vraiment un lieu, disons pas un lieu, c'est une, une, possibilité mhm. donc d'avoir de, de, euh, beaucoup, beaucoup de, ressources. si en tout cas un opérateur économique investi dans les parce que je pense que vraiment on a des très bons de très bons euh, acteurs, des artistes, qu'il s'agisse du théâtre, qu'il s'agisse de la chanson ou autre. Donc vraiment, je pense que il faudrait que euh, de ce côté-là que les mécènes soient vraiment euh, compréhensifs. Nouveau il m'a il m'a rappelé une chose parce qu'il faut vraiment que je le dise. Un jour, mhm. ça fait trois ou quatre ans j'ai retrouvé dans mes archives, euh, parce que j'ai conservé les pièces, la pièce Cabrin Cabra, écrite par Maman Dandodi. Mhm. J'ai pris ça, j'ai dit, ah, ça là, il faut qu'on réalise ça. On a, fait les, répartitions des rôles et tout et tout, mais on est parti voir un, opérateur économique qui est de la région où ça se déroule, cette pièce de Cabrin Cabra. Mm J'ai fait la proposition, si on monte cette pièce-là, c'est à ton honneur et ça va te faire de la publicité pour pour ton commerce. Mhm. Il dit, bon, allez-y, euh, allez revenir, je vais réfléchir. Deux jours, trois jours, on revient, il dit, toi, euh, il appelle, je ne sais pas, il ou bien quelqu'un là. Je qu'à pas 100 000, non, ce qu'on a essayé de mhm. On ne peut même pas acheter un grand boubou avec ça. C'est vrai. Est-ce que vous avez cette euh, démarche euh, au niveau du ministère de la Renaissance euh, culturelle, monsieur le directeur Merci. un mot pour terminer en quelques secondes. On a cette démarche-là. Mhm. C'est vraiment d'amener les mécènes, les sponsors et tout le monde là mhm. à la réflexion. Mhm. Mais ce que je voudrais, mon dernier mot, c'est de vous, demander, de vous remercier, de vous demander de multiplier ces genres de rencontres. Et de demander aux autres. Parce que dans tous les pays, c'est ça. C'est d'abord les, les paroles. Ensuite, les gens vont suivre. Il faut, les actions. Il faut débattre, il faut débattre, il faut débattre. On n'est pas pressé. Le Niger ne finit pas demain. Mm-hmm. Inch'Allah. Ça nous, a quoi Merci beaucoup. Merci bien. <laughs> Chers auditeurs euh, du studio Kalangou, nous sommes au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de Mouradari, homme de culture et ancien ministre, M. Yazidogo, un des doyens du domaine actuellement responsable d'une troupe culturelle. Et enfin de M. Nuhu il est directeur de l'enseignement artistique et de la formation au métier de la culture au niveau du ministère de la Renaissance culturelle. Avec eux, nous avons débattu de la question de la culture nigérienne en général et de l'état des lieux des festivals culturels en particulier. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain 18h15 sur la même fréquence de nos radios partenaires pour un autre forum du studio. Au micro, c'était Michel Deji à la réalisation, Boubouka Gallo à la technique. Nous avons Ali Soufou. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Passez une excellente soirée et au revoir.